Euh, commandant Martial John, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 1 de la région de Dakar. Donc, euh, ce matin, aux environs de 3h30, on nous a alerté pour un chavirement de pirogue au large de Wakam, à hauteur de la mosquée de la Divinité. Immédiatement, on a dépêché sur les lieux deux équipes de plongeurs et quatre ambulances et on a démarré les opérations. Donc, sur les lieux, on a trouvé trois corps sans vie, et deux rescapés. Les deux rescapés avaient été évacués par les gendarmes. Les trois corps sans vie, on les a évacués par nos moyens. Donc euh, de 7h jusqu'à 10h, on a poursuivi les opérations de recherche. Et au total, on a dénombré encore 12 autres corps sans vie. Donc ce qui fait un total de 17 victimes, dont 15 corps sans vie et deux rescapés. Donc euh, tous les corps sans vie ont été évacués vers les structures sanitaires, notamment l'hôpital militaire de Wakam, l'hôpital de Fan, l'hôpital d'Alal et le centre de santé de Yembol. Euh, la provenance, nous, on n'a pas cette information. Peut-être avec euh, les enquêteurs, ils peuvent vous donner la bonne information. Euh, non, nous, de notre côté, on n'a pas identifié les victimes. Ça aussi, c'est l'enquête qui va déterminer et préciser l'identité des différentes victimes. comme le nombre était à bord Le nombre également, nous, on ne le connaît pas. Euh, les circonstances aussi, on n'a pas l'information. Nous, on a fait uniquement la prise en charge des victimes et leur évacuation vers les structures sanitaires. Et les recherches Les recherches, on va laisser une équipe sur place parce que présentement, les recherches ont été momentanément suspendues avec le temps qu'il fait. Mais on va rester ici sur les lieux et continuer les recherches tout à l'heure. Wow, comme nous l'avons dit, donc 3 h 30 du matin, nous avons pour une pirogue au large de Wakam à hauteur de la mosquée de la divinité donc immédiatement nous avons envoyé un groupe de plongeurs à quatre ambulances pour commencer les opérations donc nous euh, avons nekkoon bi ñu gis trois corps sans vie et deux rescapés deux rescapés les gendarmerie nous avons évacués trois corps sans vie nous ñu évacué leen bi 7h nous avons démarré une opération donc à h h 06 nous nous ñu ngi les recherches permettre nañu ñu génne encore fukki corps ak ñaar donc au total bilan bi moy fukki corps ak fukki victime ak juroom ñaar la ñaar ñi ay rescapé lañ fukki ak juroom ay corps sans vie lañ nit ñu décédé lañ corps sans vie yooyu évacué nañ leen à fan, hôpital militaire de wakam Dalal jam ak centre de santé de Yëmbal waaw recherche de day woy mais jamono ji ñu nekk nii ak climat bi dañoo arrêté les recherches mais on a des éléments yu nekk fii nii dinañ continuer les recherches. Est-ce que de non loolu mënuma leen ko wax c'est les gendarmes ñoom ñoo leen évacué donc ñoom ñoo leen mën a jox les informations. commandant Martial Ndione commandant du groupement d'incendie et de secours numéro 1 de Dakar.